protection des mineurs au Niger est régie par une loi de 2014-72 du 20 novembre 2014. Euh, Donc cette loi-là, elle donne deux catégories de compétences au juge des mineurs. Il est compétent pour instruire et juger des infractions qui sont commises par les mineurs, mais l'autre euh, attribution, en tout cas qui à mon avis est aussi importante, c'est la question de protection. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant de moins de 18 ans, lorsque cet enfant-là est engagé, eh bien alors le juge des mineurs, est compétent pour prendre des mesures de protection à sa faveur. Et qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger L'enfant en danger, est défini par cette loi au niveau de l'article 1 On entend par mineur un enfant en danger un enfant de moins de 18 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Mmh, mmh, mmh. Pour faire le lien avec euh, le thème de notre émission, lorsque par exemple, au regard des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, on se rend compte que le détournement des mineurs dont l'enfant a victime, mhm. lorsqu'on se rend compte, par exemple, que ce détournement-là est de nature à compromettre son éducation, eh bien là, le juge des mineurs, il est détroit, compétent, lorsque les parents ou l'enfant lui-même, puisque les parents ont la possibilité de, saisir le juge mineurs, tout comme l'enfant lui-même, mhm. il peut comparaître devant le juge des mineurs pour lui dire j'ai besoin d'une mesure de protection. À ce temps-là, on va ouvrir un dossier. On fait une enquête sociale, donc pour voir, pour essayer de chercher à comprendre les, les, raisons qui l'ont amené dans cette situation. Et à ce temps-là, on va prendre une, mesure de protection. Mhm.